la préservation de l'environnement, je pense que cela constitue un enjeu majeur dans ce pays et dans le monde euh, en entier. Donc je pense que c'est un thème euh, qui euh, invite tout un chacun à se questionner sur la problématique aujourd'hui de l'environnement, puisque l'environnement est menacé dans notre pays et je pense que sa préservation constitue quelque chose qui euh, interpelle l'ensemble des, citoyens, de nos, citoyens. Donc je pense que c'est un thème euh, voilà, euh, d'actualité et que les Sénégalais doivent, je pense, se l'approprier. Et au-delà de la journée que nous avons célébrée hier, des ateliers peuvent véritablement s'en suivre pour que l'on puisse dégager des euh, des, points, des points euh, phares qui pourront nous permettre euh, de vaquer et de marcher vers la préservation de l'environnement. Je pense que sur cela, l'armée a une véritable responsabilité là-dessus, Aujourd'hui, on peut parler des coupes illicites de bois, euh, qui se font au, niveau du site, euh, dans, le site de, notre pays. je pense que par rapport euh, à cette problématique, l'armée aujourd'hui est interpellée et la nécessité pour que cette armée puisse avoir l'ensemble des moyens requis pour pouvoir faire face à ce fléau. Les forces de l'ordre, telles, que, la police et les autres membres des forces de l'ordre, euh, en train de faire le travail comme il faut, mais jusqu'à présent, peut-être il reste des choses à améliorer par rapport à la sécurité individuelle de tout à chacun. C'est ça euh, peut-être qui fait défaut, c'est-à-dire à chaque jour on rencontre par-ci et par-là des, agressions qui ne sont pas du tout vraiment euh, adéquates à la sécurité individuelle de tout à chacun. L'État doit les accompagner, doit les accompagner parce que euh, gérer la sécurité d'une population, ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Donc, ils doivent être accompagnés dans tous les sens de façon financière parce que l'aspect financier fait partie. Parce que euh, la majeure partie de ces, agents sont, corrompus, sont, sont, victimes de certaines corruptions parce que, euh, vu de leur situation salariale, ce qui fait que aujourd'hui, vraiment, euh, ces, corps-là sont, laissés dans, sont bernés sont bernés en quelque sorte. Leur travail vraiment un travail quand même euh, assez important, un travail vraiment, je dis, nickel. Euh, un travail vraiment, ils ont quand même pu gérer, ils ont quand même pu gérer vraiment la société, donc de manière tranquille à gérer la sécurité publique. Donc vraiment, j'ai une impression assez importante donc, sur, ce, sur cela. waaw ah, mais fi mu toll nii daal policiers yi moom li ma leen di waxal tamit ñoom tamit nañu war a gën a respecter nit ñi quoi ñu respecter nit ñi loolu si la bokk ndax da ngay gis ay policiers yoo xam ne man si sécurité lay monté parce que bu nekk nekk naa fa na may gis ay policiers yoo xam ne duñu respecter civil yi dañ leen di saaga xam nga di leen teg ay daan yoo xam ne nii xam nga tegul fenn waaw te man na may gis ay corruption yoo xam ne nii su ma neexoon ma photo ko wala mu filmer ko mais du ma ko def policiers yi daal ñoom seen liggéey nag moom am na am na am na si benn côté boo xam nag am na ñu honnête am na ñu honnête mais am na ñoo xam ne tamit waaw lu leen neex la ñuy liggéeyee